3, 2, 1, 0. Sauvez la femme et les enfants du monde entier. Respectez la femme. Sauvez la femme et les enfants du monde entier. Respectez la femme, c'est la mère de l'humanité, la mère de l'humanité, la mère de l'humanité. Et ce que je constate sur cette émission, c'est que des femmes Bonjour et bienvenue dans Tous à la Fada du studio Kalangu, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne. Yo, mes potes, euh, je m'adresse donc à tous nos amis auditeurs, auditrices qui écoutent cette émission connectée donc depuis Agadez, la capitale de l'Aïr. Voyons tous qui nous écoutent aussi connectés depuis Difa, c'est le manga Indouatu Kilewasale. Tous nos amis auditeurs et auditrices qui écoutent aussi cette émission connectée depuis Dosso, depuis Tawa, depuis Maradi, depuis Niamey, Kolo, Merci en tout cas pour votre marque de confiance. On parle toujours de la vie des jeunes filles sportives au Niger. Hier, Ravi a parlé avec nos invités. Balkissa Mamoudou, athlète qui a participé aux Jeux paralympiques voilà. de Rio en 2016. Amsa qui fait du taekwondo, taekwondo yin et aussi avec nous aujourd'hui une dame. Elle va certainement se présenter sur cette émission. Elle répond au nom de Mariam Mamoudou Itato. Et Mariam a fait... Je suis athlète, je suis spécialiste des 400 et 200. Aram bon, c'est spécialiste 400 et 200. Aujourd'hui, on va parler avec elle des difficultés qu'elle rencontre dans la pratique de la discipline. Si oui, vous dites hey ensemble, sinon on passe. Est-ce que vous rencontrez des difficultés Hey Donc c'est la que vous rencontrez l'équipe. Ok, ça va, vous êtes en forme ah, euh, Ça va Alors au Niger, le sport est encore vu comme une activité purement physique et donc une activité d'homme. En principe, Niriti. On dit le sport alboré euh, alboreno gâté. Voilà Je sais que tu n'es pas d'accord avec cette question. Pas du tout. Le sport n'est pas un sport d'homme Non. Non, pas du tout. Les femmes qui font donc carrière dans le sport sont mal perçues par la société. Cela veut dire que Irgo dit quand Borekangote sport ils sont mal perçus. Odo ni adenda. Yar ngarigi salam, i maram salam problème au bonda là. Elles ont des soucis avec la famille, les études, le manque de moyens, la religion. Tous les moyens sont bons pour les empêcher de vivre leurs rêves. Comme d'hab, les questions d'auditeurs, de la musique et enfin notre chroniqueur, notre paparazzi du net, Mr. Olivier, nous dira tout ce qui a fait le buzz cette semaine sur les réseaux sociaux. Nous avons posé donc notre fada sous les gradins du stade général Séni Kunche, <laughs> Et là, j'ai en face de moi un public très chaud. Ok, d'accord Un public, vous entendez les échos. Où se tient donc le tournoi d'athlétisme des 15 pays de la CDE Yao Alors, CDAO, e, qui peut me définir la CDAO e? <laughs> ah, euh, Qui peut me définir la CDAO e? Dessine, regardons les quatre points cardinaux sont L'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord, <laughs> bien sûr. <laughs> Avant donc de commencer nos échanges, mesdames et messieurs, on va donc écouter le coach Abdulaziz Bako qui nous met au bain donc des difficultés des sportives nigériennes au micro de Rukayatu Abdourahman. Aujourd'hui, si je me présente chez une fille en tant que coach, ses parents peuvent même penser autrement. Aujourd'hui, au mois d'un voyage, je viens chez les parents, je dis on doit voyager avec votre fille. Vraiment, notre culture ne le permet pas. C'est pourquoi plusieurs jeunes filles qu'on détecte, on fait des correspondances pour des compétitions à l'extérieur. Au dernier moment, les parents disent non et leur fille ne peut pas voyager ce qui bloque les filles, il y a l'abandon précoce. Les femmes euh, commencent vers 16-17. À 20 ans maximum, c'est trop pour pour chercher un mari. Et si la femme se marie ici, là, le sport, là, c'est fini. La plupart de nos filles, parce que vraiment pour aller au haut niveau, le corps doit être bien entraîné, un peu de musculation. Donc ça transforme un peu le physique de la femme. Nos femmes aiment toujours garder leur physique féminine. Ça ne les convient pas. Ils abandonnent. Même la religion, hein. parce qu'il y a des tenues où, pour que tu te sentes à l'aise, il y a des maillots qu'il faut porter. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de filles, leurs parents ne peuvent pas les permettre de compétir en, soutien et en slip. Ces problèmes évoqués par le, par, par le coach vous parlent-ils c'est exactement, c'est la réalité vraiment à laquelle on est confronté, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, c'est euh, les filles, elles commencent, même si elles commencent tôt, arrivées à un certain âge, 16, 17, 17 ans, mhm. elles sont contraintes d'abandonner leur euh, sport favori parce que soit elles sont mariées, soit hein, elles sont envoyées quelque part. En tout cas, elles sont contraintes d'abandonner le sport qu'elles aiment tant, pour laquelle elles se sont dépensées depuis des années. Donc c'est vraiment c'est un fléau, c'est un frein euh, pour la société pour avoir des athlètes de haut niveau féminine. Alors en face de moi, ok d'accord Balkissa, dis-moi, tu as l'habitude de compétir. Est-ce que nous, en tant que Wendy, est-ce que nous avons des problèmes hein, Est-ce que nous pour aller compétir ailleurs, pour représenter le Niger Est-ce que tu as l'habitude d'avoir des problèmes Est-ce que la famille t'empêche de sortir sino ayo newo kaygu <clears throat> abudaantarnama ayin baydu problem idai se zama za ifahamnisi ifahamaysi mm. zamzasu bayde hina ngey inga no hala igtum inga imbuno gaitu tunandi jirbi mm. igina isi bay kaŋ ay kwentarnama ay ay loku boŋ i imam bay ay se a boŋ koyne izi futuo de isin da ya cine Mm. ila kalsi hinga tunisi yaadini mm. sino kadayda igina bayda is fatarayga bakan walla isnaanayniga mm. sino aywa mabaygdu problem iday hayrayga maara ngay no gay turan gani sala isko interna maanu ay minisi ay ko ay kana isko ay minisi kun ay isko sanoban mariama nemina sanifu parce que on kundur société ara wala uh, hunkuna bancaire ngon kan dinidan gnene mini sport te ne famala donc du coup c'est un souci bon ayo imana chese mais ay be kiniti parce que je vois Parfois, quand on fait des compétitions, les gens publient nos photos sur Facebook. Il y a les gens qui sont contre, il y a les gens qui sont pour. Donc, les gens qui disent que ce sont des Nigériens, c'est des Nigériens qui s'habillent comme ça. quand, quand, on compétit, là, on essaye de s'habiller le plus léger possible. Pour moi, personnellement, vraiment, ce, qui, ce qui compte pour moi, oui. C'est la vie de ma famille et mon objectif. Une question d'auditeur. Nasser Namata depuis Niamey a une question pour vous sur l'émission. Nous pouvons l'écouter Quelles sont les difficultés qu'il rencontre en tant qu'athlète euh, international actuellement Je commencerai d'abord par Mariama. En tant qu'athlète international, il me soutient, il me fait terre à terre. C'est manque de, soutien, manque de soutien des, fédérations. Bon, par exemple, oh. moi maintenant je suis à Lomé. Oh ma famille mhm. compte sur moi. Ok. Pour que je travaille, je gagne, pour aider. Voilà, Et tu as fait du sport, ton métier Voilà, j'ai pris, pris, du sport. Fait, à cause du sport, je ne travaille même pas. J'ai déposé mes, mes, diplômes à la maison. Voilà, voilà. Mhm. Et si dans le sport, je ne gagne pas, uh-huh. au boulot, au diplôme aussi, je ne gagne pas. Ah. Finalement, la famille va se je vais avoir des, des, problèmes avec la famille parce qu'ils ont investi dans mes études. Ils ont fait tout pour me soutenir. Et toi, tu as préféré faire du sport. Voilà. Je reviens à toi dans un instant. Alors, nous tu as vu euh, sur le plan international. De Sinon, il y a aussi des tables pour kadai poche do harde. Oh. Poche da ino isi inga yona hayo iti ambori bora isi. Il faut demander si tu ambori bora isi. Danga ima hayo dandangan di bora ici. Ici, Isi ga oh. ayo to madalla internama isiga te boray si ama boori oh. iru wodin problem woray no girsi misino daran koy han fond aran fatta di boray din mo igonda ya kulu to ni di sino din fatta din fatta labu hane ga ni di kan i kocce wona hayo e forse kan gise mbudanu min tinga no iga hayo irse iru hmm. kala nim di lokacin muka ga to nim di kan wallahi matka igo cebin sai sedini man tiyare no ni dia Il wo fisbile coach problème de noxi coach problème avancé ok d'accord euh, je reviens à toi Amsa danga difficulté y a hayo athlète de haut niveau de borfate taray ingati kan nisinda euh, euh, aransi condition era par rapport aux autres par rapport aux autres aransi condition era okay. moi pour prendre mon cas oui. quand aiko France mm -hmm. compétition euh, tournoi foyangon ka isinga participer iga parce que fédération Sindanuru parce que fédération euh, compétition et quand Boredingo participer ay oh. sing participer iga parce que ay noro kan ko ay comité olympique wo ka dan bandi à se permettre à essayer AMT compétition et Cela veut dire qu'il n'y a pas de lobby, donc il n'y a pas, l'État ne met pas les dispositions ou les moyens pour vous permettre de compétir comme les autres pays, c'est ça Comme les autres pays. Les équipes qu'on trouve sur place, ils ont les moyens. Donc compétition cool kangote, ils participent à ça Ils vont ils quoi, dire quoi, hanfo un bumboda, ni coach, ou ni choray, ils gagnent au nim quoi donc aran si condition era matno igine daran koy compétition odu ara wo aran me gagner comme daran gagner mo daran gagner reconnaissance sinon. alors pour te faire plaisir et te remonter le moral je vais te passer un son ok d'une formation qui parle de ces femmes battantes qui parle de ces femmes qui se battent de jour comme de nuit des femmes d'air comme Balkissa des femmes d'air comme Mariama des femmes d'air comme Amsata voici donc pour vous la formation Soga Mata émission bon après soga one musique on est toujours donc ergo star général une avec notre fada ergo fada. On parle des difficultés que vivent les jeunes filles sportives nigériennes. Nous sommes avec euh, Balkissa euh, athlète euh, qui a participé au jeu. Paralympique de Rio 2016. Nous sommes aussi avec Amsatou qui fait du taekwondo. Nous sommes aussi avec euh, Mariama qui est aussi champion euh, 100 mètres et 400 mètres là. 400 mètres et 200. 400 mètres et 200. Mm-hmm. mais 400 mètres et 200, vous aurez. Zure Olivon 400 et 200. 400 et 200. Bien sûr que c'est la course. Ah, ngite boulot qui kiza guzurunda non. Ah, ça aussi, c'est la course. C'est la course aussi. <laughs> Alors, on va bien évidemment parler euh, cette fois-ci de et sports. C'est important de mentionner cela. Alors, euh, euh, Mariama. Bon, moi, j'ai commencé le sport presque à la fin de mes études. Comment est-ce que tu as fait Quand j'avais commencé le sport, c'était en 2013 je faisais la première année à l'INGS. Pour venir aux entraînements, je, descends à l'INGS à 18h30. Donc le coach il est obligé de m'attendre. Donc quand j'ai fini, je viens à 18h30 pour commencer les entraînements. J'ai fini parfois à 19h, 20h, pour entrer à la maison. Il y a la fatigue des études toute la journée. 21h <laughs> aussi, il y a des choses aussi à éviter, c'est vrai. Ça, il, faut, pas ça, il faut les week-ends. Il faut les week end Ah, c'est un emploi du temps. Balkissa, <laughs> irevekan déjà so ir société ra zan go te sport igidi kan mant go ino kan go te wala surtout du nouveau borno to wodi mpanta woni o panta gurien o panta ke si difficulté fonon godu mo ay we si di tali kul sport ga mm zama sino ay mourad day no ay wo tay be kan ay wo ay arrivé nay go ci ci gine ingay mo bore kan go ndanga tali fonya isi be no ay ki goti sino ay go be kan ay mourad day nay go te gine ay si bo fo harakara kara sinon ay sigidi masal kul hayo wo sigidi son no dirsambu no no sportif no déjà parce que ayo singine no lebantano ayo lebanté l'handicapé pour moi c'est celui qui a les quatre membres actifs quand il est au niveau des faits du stop et qui c'est lui c'est lui qui est lebanté donc ayo c'est monté lebanté mais on est au banda ne fam voilà. il faut tab faut bore sigin gunen de kay mina a boro wasinan bo malgré situation woné kandu mara ago déjà ngago di kano lebantano mais o be kangeno ti lebantay parce que ngeno bali jendi gonde gabi go ko ngwari mais o be kan man ti lebantay ni sigidu problème wone oduma sino ay bandu problème ara uh. zama kan ay banga ispa go danga ila kale gade ne oh no nun ha kultur kan ay way ha girnya hay dibora albam ne lebu dibora albam ne ay lebu bora no lebu zama ay dai lebu ay si koy barkar ya si barkar

de haute étude, tu as également continué ta passion. Quel est ton secret Dis-moi. <laughs> Dis-moi. Ton secret. Non, il n'y a, pas, a, a pas vraiment de secret. non, en fait, c'est la, c'est la passion, c'est la, motivation. Même si tout le monde est contre vous mhm. et que vous, vous y croyez à ce que vous faites, faites-le. Faites-le parce que c'est votre passion. Mhm. Moi, quand j'ai commencé le taekwondo, euh, c'était pour euh, vraiment canaliser ma violence que mon père m'a mis là-bas. Puis après, ça m'a plu voilà, donc on va prendre une petite pause. J'ai l'obligation de t'arrêter un tout petit peu. Amsa, on va donc euh, écouter ce qu'on appelle euh, euh, les fanfares. Alors, à l'instant, on a écouté vivement euh, les fanfares. Alors, Amsa euh, Moi, j'ai eu euh, cette, chance-là d'avoir une famille de taekwondoïnes, si je peux le dire, qui m'ont permis de réaliser mon rêve de pouvoir participer à plusieurs compétitions, même si ça n'a pas été facile parce que c'est on est au Niger et que la fille sportive est vue de, de manière un peu, un peu voilà, gauche, si je peux le dire. Il n'y a pas d'accompagnement euh, euh, c'est partout pareil, hein, mais c'est encore pire au Niger. Ah, ça, gâte que Non, non, ça gâte C'est justement ça, la fada, comme vous dites. C'est la fada, c'est la réalité. On est à la fada. On comme on est à la fada, on dit les choses telles. On dit, on dit les choses On n'a pas le droit de modifier les choses à la fada. On ne peut pas modifier les choses parce que là, c'est la réalité. Que ça soit ici ou ailleurs, on le dit. les femmes souffrent. Dans le milieu sportif, les femmes souffrent. Et que faire pour pallier à cette souffrance. C'est ça la, vraie problématique. Donc que faire pour pallier On va revenir juste après la musique pour en parler. Comme ça, non Avec une musique dans moment là. Yemi Alade. Euh, Onganda Rick Ross. My gosh. Nous venons à l'instant d'écouter Yemi Alade. Il était, elle était en featuring avec Rick Ross. Le son, c'était ma gauche. Alors, vous écoutez toujours tout ça, la Fada. On parle des difficultés des filles sportives avec, euh, avec, avec Belkissa, Mariama et Amsa On est au stade général Sénikounche. Abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Autre difficulté, c'est le mariage. Mr. Olivier, notre reporter et chroniqueur, a intégré certains jeunes et sur cette question. On écoute. Là, nous sommes au stade général Sieni Kunti. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour faire du sport, mais pour recueillir l'avis des uns et des autres sur une question très importante. Quel regard vous portez sur les filles qui font des sports dits masculins Salut les gars <laughs> C'est comment Vous allez bien Super. Bah, écoutez, ce soir, moi, j'aimerais vous poser juste euh, une question que vous allez tous répondre, selon, chacun selon son avis. Est-ce que vous pouvez vous marier avec une fille qui fait de l'haltérophilie, par exemple, c'est-à-dire une fille qui prend des poids lourds ou bien une fille qui fait le taekwondo Bon, cas de taekwondo, moi, je peux, mais. Pardon, tu viens de dire quelle. altérophilie ceux qui prennent les poids lourds. Les poids, hey, eh, là, autrement, je, ne peux pas, wallahi. Je peux pas. Je peux pas parce que moi, je peux pas. En conclusion, voilà. Peut-être les gens disent que les garçons comme toi, c'est qu'ils ont peur. Bon, moi, c'est pas faire de d'être peur, quoi. Tu sais. <laughs> en réalité, leur portrait physique même, c'est ça qui me plaît pas, ouais. Ouais, c'est de forme. Et après, ils se transforment comme des mecs. Des fois, tu peux avoir même une fille qui, va être plus musculeuse que toi. Toi, tu sais, là-bas, il y a drap. Moi, je ne peux pas accepter, ouais. Mais si c'est une fille qui a la forme, toi, même tu sais. Toi, t'es un mec. C'est pas la peine que je te dis, ouais, toi, tu sais. Bro, je veux juste savoir une seule chose. Tu sais ce que je veux savoir Les filles qui font des sports de mecs, comment toi, tu les trouves ah, C'est génial, quoi. Il n'y a pas un problème. Une femme s'entraîne comme les, les hommes, c'est pas un problème. C'est bon, ça fait du bien même. Quand tu les vois, tu as envie de les épouser un jour <laughs> eh, J'ai envie hein. même. Voilà. Amsa, oh, tu fais du taekwondo et tu es considéré comme la plus dangereuse sur ce plateau, en fait, parce que tu as trois dames. Répondez à ces mecs de façon directe. De ne pas avoir peur. Ok. C'est tout. De ne pas avoir peur. Non, pas c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on fait peur. Pourquoi nous, on enfin, pourquoi les femmes, elles n'ont pas peur des mecs qui font du sport euh, c'est pas parce qu'on est euh, sportif de haut niveau ou qu'on est sportif de haut niveau qu'on ne peut pas tenir un foyer. Considérons que je suis ton mec, je suis ton mari, ok le taekwondo, tu, tu ne vas que fait, euh, le pratiquer sur le tatami à la maison. Si j'arrive de, temps en temps à déconner, tu ne vas pas un peu appliquer quelques katas sur moi je ne me mets pas avec toi pour te cogner. Normalement, le taekwondo, ça reste à la porte. sur le tatami. Euh, sur le tatami, je peux te cogner comme je veux. Merci. <laughs> je ne ferai jamais du taekwondo en étant dans ton mari. Adam.. je reviens à toi. Oui. Euh, Mariama. Oui. Mariama, qu'est-ce que c'est Il est dans le il m'a alboro, il ressemble comme un mec. Quelle réponse Je voudrais que nous répondions aussi. Mais eh, pourquoi, ils ont peur Ils va avoir peur. Pourquoi ils ont peur Donc ils ont l'intention de taper leurs femmes. Non, des fois le mec il déconne. Ah, ah, même même même il y a des ah, femmes qui sont pas musclées qui tapent les garçons. c'est seconde j'ai go quelque part. Bien sûr tu vas taper bien même. <laughs> Parce que tu me respectes pas. Ah ça craint, là ça craint. Ah non là là ça craint. Oh ça craint. Moi, quand j'ai commencé l'athlétisme, j'ai trouvé des filles qui font l'athlétisme, mais j'ai jamais vu une fille athlète qui continue de pratiquer l'athlétisme après le mariage. Donc après le mariage. Au Niger, je ne l'ai pas encore vu. Donc ça fait partie des difficultés énormes à Pali. Dès que tu t'es marié au Niger. Maintenant, nous aussi, quand tu te maries, tu vas arrêter de faire le, tu vas arrêter ça dépend, <laughs> ça dépend de la situation. Donc, euh, si tu aimes bien le mec, ça dépend, hein. ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. non sani fo non gonda se a kala ne Balkissa. Euh, ay vraiment mare mu ane hamburen kina ifa sani na hamburen aw lay si wallahi so mo mate non di alboreo sanno ga kango ne bare go bu sanno bon son hymne national ni gote hymne national mo dine irga hangana seno parce que stade norgo nous sommes au stade amis auditeurs auditrices les couleurs nationales tout le monde debout

Selon vous aujourd'hui, que faire pour le sport féminin soit comme métier à part entier dans l'esprit des Nigériens C'est l'hymne national, on respecte les couleurs. On va regarder la finale d'Amina on prend le silence, on regarde en même temps. Nous sommes toujours au stade général Sénikounché. Alors, euh, Amina va donc se lancer dans un instant. Silence total. Borakul Dangay part. elle prend la tête. Amina prend la tête. Amina prend la tête. champion, hein, c'est la finale, vous avez certainement compris. Alors dis-moi les sentiments, les sentiments qui t'animent, les sentiments qui t'animent. Assieds-toi ma chère, assieds-toi, c'est bien non Ça va Mariama, ça va, tu très contente. Et surtout, euh, c'est sa première course de 100 mètres. Donc c'est première course oui, 100 elle n'a jamais couru les 100 mètres. Donc c'est sa première course de 100 mètres. Elle a remporté, je pense bien, c'est avec euh, un bon chrono. Voilà. Donc c'est la dire euh, que tu es, tu es toute contente. Vraiment, je suis très contente. Je pense qu'elle a, elle a réalisé les minimums pour les Jeux africains. Pourquoi pas les champions du monde bientôt. Voilà. Je pense qu'on doit l'applaudir très très fort. Merci, merci Mina. pour donc cela. Nous sommes en direct, c'est ça aussi l'ambiance. L'ambiance est phénoménale. Alors que faire Le que faire revient. Que faire aujourd'hui euh, euh, pour que le sport féminin soit comme métier à part entière dans l'esprit des Nigériens Voilà, la première, <coughs> la première des choses, c'est que les, familles, le gouvernement devraient mener, je ne sais pas, la, politique, comment, voilà, comment les encourager, comment, ceux, qui, ceux qui pratiquent déjà, qui pratiquent déjà le sport, de, les, de les accompagner, donner l'opportunité de faire des formations, voilà, des parce que surtout les enfants, quand, quand, tu, voilà, quand tu vois quelqu'un qui est devant toi, il évolue, il gagne des choses, tu vois comment il a vu. toi-même, tu vas avoir auras envie, de faire. Voilà, tu, auras envie de faire. Mhm. Tu vois, aujourd'hui, Amina vient de gagner cette course. Les, filles qui sont là, les petites, ils vont avoir envie, envie, envie, de faire. Mhm. Voilà. Merci. Maintenant, pour que vous ayez un sport, vous

que faire ça, revient, ça revient Moi, je ne vais pas parler uniquement pour les filles, parce que mhm. c'est tous les sports. Mhm. Et euh, encourager les jeunes, encourager les jeunes à pratiquer une activité sportive. C'est vraiment leur donner la capacité de réfléchir par eux-mêmes. Le sport enseigne des valeurs inestimables qui font de ces jeunes des personnes responsables demain. Aujourd'hui, je ne suis pas devenue délinquante. C'est pas parce que j'ai pratiqué un, un sport d'homme je suis devenue délinquante. Le, sport responsabilise, ça te forge un caractère. La patience, le respect, le respect d'autrui, le respect du bien public, le respect dans toute sa, splendeur. Le sport, c'est une école. C'est une école, c'est une école. Moi, mon, cru de cœur, c'est vraiment encourager les jeunes. Euh, sport, études, c'est vraiment les deux maillons de la société. Une fois qu'on a fini sa carrière de sportif de haut niveau, il faut bien se nourrir. Le sport, ici ou ailleurs, ne nourrit pas quand on n'est pas footballeur de haut niveau. Ça nourrit pas. Donc il faut bien avoir un bagage scolaire, des diplômes pour pouvoir s'en sortir. C'est pas forcément avec ce diplôme-là que vous allez travailler, mais c'est un bagage. On sait que voilà, quand je voyage, j'ai mon kit. Merci en tout cas d'être cette émission. Tout ça, la FADA, amis auditeurs, auditrices et 38 radios partenaires, le studio Kalangou. Mais avant de conclure, permettez-moi en tout cas de permettre, permettez-moi de permettre, c'est des termes de FADA, à mon paparazzi du net, Mr. Olivier, pour parler du buzz, tout ce qui cartonne, tout ce qui fait feu sur les réseaux sociaux. Mr. Olivier. How do feel? Très heureux de vous retrouver ce soir, chers amis, dans Tous à la Fada, la seule Fada ici au Niger qui fait 35 minutes. Ce soir, nos amis de Maradi en général et ceux de Dakoro en particulier, j'ai un coup de cœur pour vous. Alors, Olivier, ce coup de cœur, c'est pour euh, les résidents de Maradi ou les ressortissants de la région Mais <laughs> écoute mon frère, c'est pour les deux parce que là, dans, dans la région de Maradi précisément, dans la localité de Dakoro, il y a un centre sanitaire et ce centre sanitaire a besoin d'un radiologue. On écoute Dr Inoussa Gonda à ce sujet. Ça fait à peu près un an. Effectivement, nous référons plus cas de fracture autre là. La radio, il faut un manipulateur, un spécialiste en radio. Moi, j'ai dit, même s'il y a quelqu'un du terroir, c'est un peu mini. Sincèrement, c'est un problème qu'il faut résoudre. Et le directeur régional de la santé m'a promis, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de gens qui sont venus. On est toujours de l'attente. Mais quand même, l'appareil marche très bien, il n'a aucun problème, mais seulement c'est le manipulateur qui manque. Nous lançons un cri d'alarme si vraiment dans les terroirs du des radiologues qui peuvent venir nous aider. Parce que je sais que Dakoro est grand, nous avons beaucoup de têtes, donc s'ils peuvent venir nous aider. Olivier, CAF à présent dans le monde de la connaissance et du savoir. Il y a quelques jours, la première cité de l'innovation a été créée dans la localité de Sadoré. Effectivement, nous avons cherché à savoir plus. Nous avons découvert que ce sont des laboratoires d'accélération des objectifs de développement durable. En termes simples, Olivier Bon, concrètement, je veux dire que c'est un centre où des jeunes pourront réfléchir sur des mesures d'agriculture, d'élevage et bien d'autres secteurs qui pourront contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable dans le domaine donc, du numérique, Olivier, tu as un bon plan euh, pour les associations, surtout ceux de l'intérieur du pays. Ah oui, bien sûr que oui. Parce que tu sais, dit. actuellement, tu ne peux pas avoir une bonne association et qui marche très bien sans avoir un site internet. Bien sûr. Du coup, il y a une plateforme qui est dénommée WebASOC qui mhm. accompagne gratuitement les associations dans plusieurs domaines. Pour plus d'informations, visitez le site www.webasoc.org. Côté emploi, quelles sont les opportunités disponibles, mon frère Oui, mon ami, côté emploi dans la région d'Ottawa, le cabinet COSEF recherche deux chauffeurs pour servir au niveau de la région. À Zender dans, la, localité, de, Magaria. Oui, dans la localité de Magaria, l'ONG Médecins sans frontières recrute un technicien de laboratoire. Toujours à Magaria, l'ONG Assistance au développement communautaire recrute un youth officer pour la mise en œuvre du volet entrepreneuriat des jeunes. Il sera chargé de définir, construire et piloter la politique de développement des compétences avec la stratégie globale du projet. Ne ratez surtout pas les autres sites d'information et faites régulièrement le tour des antennes de l'Agence de la promotion de l'emploi ANPE. Merci à tous nos amis qui nous reçoivent. Et oui, si vous désirez étonner quelque chose sur les dernières sorties web, n'hésitez pas de nous envoyer des messages sur le 80 06 88 54. Où que vous soyez, Restez sages et bon week-end à vous. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de tout à la FADA. Merci donc à tous de nous suivre et de contribuer à la réalisation de cette émission. On était avec euh, Balkissa, euh, Mariama, Amsa. On parlait des difficultés rencontrées par les jeunes filles sportives nigériennes dans la pratique de la discipline. il de de Aban. très bientôt. notre numéro de tous à la fada. Machine.